thank you once again today is another day we are going to learn the french language so we are going to look at alicol at school alicol at school the things in the school or the part in the school or the activities that are happening in the school quickly let's go through them we have in a call une école. Les élèves font la lecture. Les élèves font la lecture. What are they doing? They are reading. Les élèves font la lecture. We have une cour de l'école. Une cour de l'école. Une cour de l'école. Then we have les professeurs sont en réunion. Les professeurs sont en réunion. Les professeurs sont en réunion. Teachers are on meeting. they are in, so they on a meeting. ils sont en réunion. Les professeurs sont en réunion. we have in library. In library, a bookshop. Next one is à l'entrée de l'école. À l'entrée de l'école. At the entrance of the school. Les élèves sont dans la librairie. Les élèves sont dans la librairie. The students or the learners or the people are in the bookshop. Bookshop. Bookshop. Une cantine. Une cantine une salle de classe, une salle de classe, Le l'urinoir. Then, une salle d'informatique, une salle d'informatique, une salle d'informatique. Le professeur enseigne les élèves. Le professeur enseigne les élèves. The teacher is what teaching the student or the learners. Le professeur enseigne les élèves. L'administration. L'administration. And also we have un laboratoire de sciences. Un laboratoire de sciences. Laboratoire de sciences en récréation. En récréation. Le bureau du directeur. Le bureau du directeur. Les toilettes. Les toilettes le bureau du maître, le bureau du maître, à la cantine, à la cantine, la salle de professeur, la salle de professeur. Thank you much very much once again. I know today you have learned much and so you are going to memorize it and be saying it and you keep it in your mind. Thank you. Goodbye.